yow mi bëgga liggéeyal diine lislaam xanaa ndax jataay bi dara warulu ko ludul ay julliti yàlla yoo xam ne nii dañoo gëm innamal muminuuna ixwatun fa asliho bayna axawaykum islaaha googu nag moo leen tax a jub islaaha googu mooy yiwanal baaxal ñi nga xam ne dañoo aajowoo ci jullit ñi pour defar seeni biir teen bi ñu taxawal lén la ci ku leen taxajok moy immigration teen bi mo leen taxajok muy xéewal go xamné ñepp ko bok donte ci daara la jaar waaw waaye ñëpp lañ ko fi defal ñepp ko bok Nous vous souhaitons la bienvenue et sommes très, très, sommes très honorés de votre présence ici aujourd'hui. Nous vous remercions de l'assistance, de l'aide et du soutien que vous apportez à la communauté bambéoise à travers vos financements. Nous vous exhortons à pérenniser ces actions car l'eau est source de vie. Le prophète a raconté qu'un homme qui mourait de soif vit un puits et s'y abreuva. Un chien tournait autour du puits, assoiffé et désespéré. L'homme l'abreuva à son tour. Par cet acte, Dieu eut pitié de l'homme et le compta parmi les, euh, hommes du paradis. Que Dieu vous accorde cette faveur, vous qui offrez des puits aux hommes. Merci. teen bi dafa naa bi mu ñëwee danoo sant Yalla bu baax ndax dañu doon xey jënd 400 ndox wala 500 ndox duñu am ndox waaye bi teen bi ñëwé fi ba tay ñun ñëpp dañuy xey di dajalo fi di root dara ñaawut lu waaye am dem yobbu sa kër nu root dañ leen di ñaanal rek ngeen yokku ca kanam ca kaw ca kanam rek ndax teen bi neex teen bi neex na lool donc je suis le chef de service départemental de développement communautaire du département de Bambey donc y compris la commune de Bambey. Je représente aussi Madame le préfet du département empêché qui m'avait demandé hier de la représenter ici au niveau de cette activité-là qui, à son avis, est une activité très importante qui participent le développement local. Donc sur ce, je voudrais vraiment vous dire merci beaucoup et de vous souhaiter la bienvenue au niveau de, local, au niveau de la commune de, Bambay. Nous, en tant que représentants de l'État du Sénégal, nous magnifions parce que nous devrons normalement faire cette activité-là. Parce qu'on doit être proche de la population. L'État ne peut pas tout faire, mais s'il y a des ONG, des, organisations communautaires, des organisations qui interviennent dans notre localité, nous devons l'accompagner. Nous devons aussi l'encadrer parce que notre rôle aussi fait partie de, de coordonner les interventions des organisations au niveau local. Nous devons aussi orienter ces organisations pour le bien commun. C'est ce qui euh, motive notre participation à cette activité-là. Donc on ne peut que se réjouir de cette euh, que l'ONG nous a offert et qui participe au développement de notre localité, plus précisément la commune de Bambay. Le préfet m'a chargé de vous dire merci encore. Merci. Et elle m'a aussi demandé de vous dire il y a beaucoup de, des zones comme, comme euh, la, le quartier périphérique de Khariala qui ont vraiment besoin de ces gens d'aide-là. Je Souhaite la bienvenue aux partenaires ici présents, français comme sénégalais. Et c'est un honneur pour moi, en tant que maire, premier magistrat de la ville, de vous recevoir ici à travers des actions de, cette envergure. Nous ne pouvons que nous réjouir de vos actions humanitaires. Vous êtes venus soulager la souffrance des populations habitants de ce quartier. Et vous le faites dans pas mal de communes, dans pas mal de départements. Ce que vous venez de réaliser ici ce que nous voyons là, un puits bien fait, bien réalisé, euh, ça fait partie des doléances de ce quartier Khariala. Parce que vous savez très bien que les quartiers périphériques souffrent de l'électricité et de l'eau. Vous savez très bien que un quartier comme celui-là, Harial, le plus lourd fardeau des femmes, c'est d'aller chercher de l'eau. Et ça, je pense que ça va leur alléger cette tâche d'aller faire des kilomètres ou bien d'aller chercher de l'eau sous la chaleur. Donc si vous venez faire ces réalisations de cette nature, vous l'avez fait pour la commune, vous l'avez fait également pour le maire. Parce que c'était au, au maire de faire cette réalisation dans la commune. Donc si vous le faites, je ne peux que vous adresser mes vifs remerciements et prier pour vous et vous remercier encore davantage de ce que vous venez de nous offrir. La réalisation d'un puits euh, qui est un bouffet d'oxygène pour tout le quartier harial qui allège vraiment le lourd fardeau des femmes pour la recherche de l'eau. Nous avons réalisé 180 puits avec au pain et sourire. Aujourd'hui, nous sommes dans un village pour inaugurer notre centième puits. C'est vraiment avec beaucoup d'émissions puisque nous avons monsieur le représentant de la du préfet, ainsi que monsieur le maire qui nous a rejoints, qui nous ont honorés. On a eu beaucoup de retard sur ce puits, mais je vais dire que ça a été un bien, parce qu'ils sont là aujourd'hui, présents, et on s'est rendu compte qu'il va y avoir beaucoup de projets ici, et on va essayer d'améliorer et de faire plusieurs projets. Euh, il n'y a pas beaucoup d'actions humanitaires, donc on va essayer de travailler et on va dans un premier temps essayer d'amener une ambulance. C'est ce que vous voilà. Donc on va répondre à votre première euh, doléance. voilà. Donc ce puits, il est centième. <laughs> il n'y a pas de mots puisque c'est notre centième mhm. et il est à côté d'une école et c'est ce qu'on aime nous en particulier, on aime les enfants, on veut que les enfants euh, en profiter, comme ça qu'ils puissent étudier et qu'il y a aussi moins de maladies. Voilà, donc euh, c'est un honneur qu'on est là et je remercie aussi du fond du cœur euh, l'association Sakuyu, Action pour l'espoir, sinon sans eux on n'aurait jamais réussi. Merci. Au revoir. <laughs> 你不能这样子，你不